Chers auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement. Importance du lavage des mains dans le cadre de la préservation de la santé est notre thème de ce soir. Aujourd'hui 5 mai est en effet célébrée l'édition 2021 de la journée mondiale de l'hygiène des mains. Quelques secondes pour sauver des vies, nettoyez vos mains est le slogan proposé par l'Organisation mondiale de la santé pour la célébration de cette journée. Dans la première partie de ce forum, nous verrons les avantages sanitaires que procure une bonne hygiène de nos mains et dans la deuxième partie, les habitudes à avoir comme réflexe pour être à l'abri des maladies liées à une mauvaise hygiène de nos mains. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir euh, dans ce studio Monsieur Maman Mayaki, il est technicien d'hygiène et d'assainissement et cadre à la direction de l'hygiène publique du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Monsieur Maman Mayaki, bonsoir. Bonsoir. Notre euh, deuxième euh, invité est Ousmane Dambaji. Il est le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia. Président, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons au téléphone le docteur Mamansani, Il est médecin. Bonsoir, docteur. Bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Dégé. Pour commencer, qu'est-ce que l'hygiène des mains, docteur euh, Mamansani L'hygiène demain c'est une des stratégies, sinon pour ne pas dire la stratégie la plus importante pour euh, réduire le maladie, n'est-ce pas, liée à l'hygiène et l'assainissement. Mhm. Donc, euh, c'est de ça qu'il s'agit, parce que quand vous voyez euh, la question d'hygiène et d'assainissement, la question d'hygiène pratiquement elle est à la base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos maladies. Mhm. Pour rappeler Pasteur qui dit que pratiquement, nous vivons pratiquement 90% de nos maladies. Alors s'il faudrait eh, diminuer, n'est-ce pas, des maladies comme ça et même des décès, pourquoi pas, parce que c'est la conséquence euh, directe, n'est-ce pas, il faut adopter des stratégies et l'une des stratégies, c'est le lavage de mains. Mhm. Donc euh, le lavage de mains, c'est vraiment une stratégie parce qu'il y a des moments qui sont appelés des moments critiques pour pouvoir laver demain. Mhm. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une des stratégies qui permet vraiment la, la réduction de manière significative des morbidités et de mortalité. Mhm. Merci à vous, docteur. Euh, Monsieur Maman euh, Mayaki, technicien d'hygiène et d'assainissement et cadre à la direction de l'hygiène publique du ministère de la Santé publique euh, que vous représentez ici. Pourquoi faut-il alors pratiquer l'hygiène des mains En tout cas, nous tenons à vous remercier pour l'opportunité que nous offrez pour pouvoir vraiment essayer donc euh, de sensibiliser, sinon d'attirer l'attention des gens par rapport à un fait qui est vraiment aspect hygiène et l'hygiène spécifiquement de l'hygiène des mains. Mhm. Alors, cela dit, en termes d'hygiène des mains, d'abord vraiment, euh, cette hygiène est un ensemble de mesures et de pratiques que l'on met en œuvre, en tout cas pour être propre par rapport donc à l'ensemble du corps. Mhm. Alors, par rapport maintenant à donc, votre question, pourquoi vraiment l'hygiène Parce que vraiment, on a dit que c'est un ensemble de mesures et de pratiques que nous prenons ou que nous euh, essayons de mettre en œuvre pour être à l'abri d'un certain nombre de maladies. Et comme l'a dit le docteur, ces maladies-là, le plus souvent, donc, elles sont liées au fait que ce sont les mains qui partent, elles touchent, elles ramènent, elles emportent aussi. Vous voyez bien Et ceci est dû au fait que les mains sont souillées. Mhm. Elles contiennent un certain nombre de donc micro-organismes. Elles sont porteuses, de microbes, que, nous ne voyons pas. que nous ne voyons pas. Mhm. Donc que facilement, en tout cas, comme l'a dit le docteur, du fait que en se soulageant même, en faisant même la toilette, si vraiment c'est pas fait dans des conditions hygiéniques, eh bien, il peut avoir un résidu, n'est-ce pas, de ces germes que nous ne mhm. voyons pas. Mhm. Et directement, à travers les salutations d'usage, on peut directement transmettre ça à quelqu'un. Vous mhm. voyez bien. Et en dehors de cela aussi, donc, il y a plusieurs procédés par lesquels vraiment on peut donc contracter, n'est-ce pas, toutes ces, donc, tous ces microbes ou tous ces germes-là, donc, à travers, bien sûr, les mains. Vous voyez. Alors, le lavage des mains, vraiment, c'est un acte qui permet de réduire ou vraiment d'empêcher vraiment la transmission des maladies. Et ça met aussi, en tout cas, à l'abri vraiment les gens donc par rapport à une multitude de maladies d'origine hydrique, ça, on, va en, parler. Vraiment, d'où l'importance, n'est-ce pas, de ces gestes en tout cas très simple là, qui permet vraiment de protéger la santé des individus. Je rappelle que vous êtes le représentant de la direction, de l'hygiène publique en et charge de l'éducation pour la santé. L'hygiène publique et de l'éducation pour la santé. Vous avez bien fait de commencer par euh, l'hygiène de façon générale, euh, puisque vous vous en occupez justement, avant d'aborder la question de l'hygiène euh, des mains. Ousmane demoji président du réseau des journalistes nigériens, pour euh, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. À votre niveau, quel est le constat en tant que journaliste que vous faites sur la situation du respect de l'hygiène des mains dans notre pays et merci euh, Michel pour l'opportunité que vous nous offrez d'être euh, effectivement ce matin avec les autres collègues pour discuter de cette question extrêmement importante qui est celle liée à l'hygiène des mains, qui est aussi une préoccupation du développement. Et comme l'on dit, effectivement, aujourd'hui, des études ont démontré toutes les maladies mortelles, souvent mortelles évidemment, sont liées à la mauvaise hygiène de main... comme l'a confirmé le docteur, et Meyek aussi l'a souligné. Évidemment, à travers la main, c'est toutes les maladies que nous contractons, toutes les maladies effectivement et que nous sommes en train de propager. Moi, je pense que le lavage de main... à l'eau, il faut le confirmer au savon, est l'une des meilleures méthodes pour lutter efficacement contre les maladies. Mais pour moi, la question du manque d'hygiène de main ou des maladies qui sont liées ou qui sont transmises par la main, c'est d'abord un problème de sensibilisation, mhm. c'est un problème de communication et c'est également un problème de volonté politique. Mhm. Pourquoi un problème de communication On ne doit pas attendre, évidemment, à ce que quelqu'un nous dise laver nos mains. Ça doit être notre quotidien. On doit apprendre à nos enfants et on doit également travailler avec tous les instruments juridiques qui sont dans ces secteurs, mhm. comme le Code d'hygiène publique, il va certainement en parler, qui prévoit beaucoup de choses. Mhm. Et aujourd'hui, eh, la communication dans le secteur de la santé doit être une communication constante, mais pas ponctuelle. C'est là où justement je remercie le ministère de la Santé qui fait partie aujourd'hui des ministères au Niger qui, en tout cas, priorise la communication, même si elle n'est pas, en tout cas, à la hauteur, elle n'est pas constante, mais quand même, le ministère de la Santé est le seul aujourd'hui en termes de ministère qui essaie de faire de son mieux. Aujourd'hui, il faut que nous comprenions. C'est, la main joue un rôle extrêmement important dans l'hygiène d'une manière globale. Mais comment faire l'hygiène quand il n'y a pas de mesures d'accompagnement Comment vous allez demander aux gens de laver leurs mains alors que l'eau n'est pas disponible mhm. Comment est-ce que... En fait, il y a tout un arsenal qu'il faut accompagner pour amener les gens. On va arriver à ce niveau, mais déjà il y en a qui disposent de l'eau et du savon, mais qui ne pratiquent pas l'hygiène des mains. Il arrive que oui, justement, on constate cela. Oui, c'est un problème d'éducation, un problème de changement de comportement, un problème mm. de communication. Mm. Évidemment, aujourd'hui, quand tu prends par exemple le cas de, de, la défécation à l'air libre, aujourd'hui c'est le 23 millions que nous sommes au Niger. Mm-hmm. Nous avons 15 millions 500 000 personnes qui défèquent à l'air libre. C'est-à-dire sans latrine. Hein? Sans latrine, mm-hmm. qui vont déféquer de l'environnement, ailleurs, mhm. derrière les cases, dans les buissons. Mhm. Mais imagine cela que ça peut constituer en termes de santé publique, en mhm. termes environnemental et en termes effectivement également de, questions de société. Aujourd'hui, combien de femmes au Niger voient leur menstrue entre 15 et 45 ans chaque jour Et vous savez comment la question de menstrue a besoin évidemment d'hygiène il y a parfois de contact avec la mère. Évidemment, mhm. évidemment. Et quand les femmes ne sont pas sensibilisées, quand il n'y a pas de monsieur d'accompagnement, nous allons manger tous ces microbes parce que c'est les femmes mhm. qui sont dans nos cuisines, c'est elles qui nous traitent, qui nous donnent à manger. Évidemment, si les mains ne sont pas bien propres, c'est elles qui allaitent les enfants, c'est elles qui, qui, lavent les enfants quand ils sont mhm, Donc, du coup, il va falloir que nous mettons un système de communication, un système de sensibilisation et d'accompagnement pour que nous tous, nous soyons à mesure, évidemment, d'éviter ces maladies. Mais sinon, nous allons manger nos caca, excusez-moi le terme, mhm. nous allons manger tous les déchets qui sont liés à la question de l'hygiène menstruelle ou à la mhm. question, je ne sais pas, de, de, beaucoup de choses. Donc il va falloir que nous comprenions d'abord qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'éducation, en termes de sensibilisation et de changement de comportement. Merci à vous, Ousmane Dambagé. Vous êtes le président, je le rappelle, du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous l'avez précisé, donc, nos mains sont parfois porteuses de germes, de microbes, donc nous ne voyons pas. Il peut s'agir de liquides biologiques. Docteur euh, Mamansani, quand pratiquer l'hygiène publique, il a parlé de défécation. Quels sont les moments pendant lesquels il est important de pratiquer l'hygiène Je pense que parler de moments spécifiques où il faut pratiquer l'hygiène, je pense que c'est à tout moment. Je à tout moment. à tout moment, parce que de par l'intervention de, de mes collègues qui sont dans le studio, vous avez compris que à chaque fois, il faut avoir ce réflexe, parce qu'il faut que ça devienne une habitude. M. Mhm. je l'a dit, il faut que nous communiquions pour qu'il y ait un changement de comportement. Parce que nous avons une tradition chez nous qui, à chaque fois que vous vous croisez avec une personne, la première des choses, c'est de lui tendre la main en mhm. guise de salutation. Mhm. Et ça, c'est pratiquement le, réflexe de tout le monde chez nous. Et ça, c'est, c'est, devenu une de notre tradition et nous ignorons que nous sommes en train de nous partager gratuitement des germes, mhm. des germes de tout genre, n'est-ce pas, qui sont partagés entre la population. Mhm. Dis-moi, qui est celui qui va avoir ses réflexes dès qu'il salue la personne avec le main, euh, il a c'est pas évident parce que si a parlé de, de mesures d'accompagnement, la disponibilité de l'eau et des savons qu'il faut se laver les mains régulièrement. Mhm. Mais attends, c'est pas tout le monde qui a ça. Ça, c'est les premières des choses. Il y a des moments qui ont été ciblés, qui ont été appelés moments critiques. De moi, à mon avis, il faut les élargir. On a parlé de moment où la personne a été aux toilettes. Dès que vous avez été aux toilettes, vous sortez, le premier réflexe, il faut vous laver le mains. Mhm. Un moment de plus. À l'eau et au savon. À l'eau et au savon, c'est mhm. extrêmement important. Ça, ce que ça veut dire. Avant de manger ou de manipuler un aliment, mhm. c'est extrêmement important parce que même si par ailleurs vous avez touché, vous avez salué beaucoup de gens, mais si vous, avant de manger ou avant de toucher un aliment, ayez le réflexe de vous laver au moins sur les mains. Ça, vous réduisez les risques de la transmission, n'est-ce pas, de, de ces maladies. C'est tous ceux qui ont des enfants. Parce que l'une des conséquences, je vais peut-être insister là-dessus, mhm. c'est chez les enfants. Après avoir nettoyé un enfant ou avant de donner à manger à l'enfant, ayez le réflexe. Et ça, je fais allusion à la tranche, euh, à la catégorie dont a parlé M. Dambaji, les femmes. Mmh. Les femmes parce que c'est elles qui doivent s'occuper le plus, tout le monde s'occupe bien sûr des enfants, mais elles surtout, avant de donner à manger, avant de toucher un enfant, après avoir nettoyé un enfant, essayez de laver la main. Parce que nous sommes au Niger. Au Niger, nous avons une très grande... Euh, problème de santé publique lié aux enfants, surtout de moins de 5 ans. Mmh. Je prends un exemple, le Niger a, a fait pratiquement plusieurs années que euh, un problème nutritionnel se pose chez les enfants et des liens évidents ont été faits entre la malnutrition et la diarrhée. Mmh. Et je pense que tout le monde connaît le lien qui la diarrhée, n'est-ce pas, la survenue de la diarrhée ainsi qui est du déficit de lavage de main. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites en ce sens. Je peux rappeler par exemple une publication de la CET en 2013 qui dit que de la voie du demain, il réduit de 46% la morbidité de la diarrhée chez les enfants. Donc, vous mhm. ça, c'est des choses, en les communiquant, au moins avant de donner à manger à l'enfant, laver les mains. Les enfants, quand ils vont manger, l'enfant qui commence à ramper, qui touche à n'importe quoi, parce que l'enfant, quand il rampe, tout ce qu'il prend, il met dans. Donc, essayez d'éviter cela pour qu'effectivement, le maman qui donne à manger, tu vas voir une mère, elle, une mère, elle vient, elle n'a pas, se fiche pas de se laver ses mains, elle prend à manger, elle donne à son enfant, elle a quoi des risques que son enfant développe la diarrhée. Quand il fait un épisode de diarrhée, deux épisodes de diarrhée, trois épisodes de diarrhée, il a été démontré avant l'âge de deux ans. Ça aussi, c'est une autre publication de en 2008. Quand l'enfant fait cinq épisodes de diarrhée ou plus avant l'âge de deux ans, alors c'est 25% d'arrêt de croissance, c'est la cause de 25% d'arrêt de croissance. Mmh. l'arrêt de croissance, un retard de croissance chez nous, pratiquement un enfant sur deux, il faut, c'est, malheureux de le dire, est pratiquement malnutrition chronique. Ça fait plus de 40-45% des taux de malnutrition chronique, et ça, c'est de manière répétée pratiquement depuis 2015, 2005, mmh. pardon. Donc, je pense que c'est ces aspects qu'il faut voir, qu'il faut mettre l'accent. Dambaji l'a dit, la communication. Je ne dis pas qu'elle n'est pas faite, mais il faut l'intensifier. Mm. Il faut aller dans le sens, pas la communication, juste parler. Parce que des fois, ce n'est pas la communication, des fois, c'est juste l'information. Vous êtes des experts en cela parce que juste on parle et puis bon, voilà, les gens n'ont même pas la possibilité de faire leur feedback. Non, allez au-delà quand on communique, il faut viser quelque chose, que le comportement soit changé. Et il faut prendre des mesures pour pouvoir évaluer. Est-ce que concrètement, ce que nous sommes en train de faire comme travail de communication qui a pour but de changer le comportement de la population face à cette question de lavage de mains, est-ce que c'est en train de porter ses effets Il faut mmh. évaluer quelle maladie qui est liée à lavage de mains nous sommes à telle proportion Est-ce qu'à travers ce que nous avons pu faire, ça a eu avoir des impacts. Je pense que c'est des actions, des activités comme ça qu'il faut essayer de faire. Il faut mhm. essayer de montrer, pardon, à la population des liens, des causes à effet pour que les gens se comprennent essayons de limiter au maximum certaines pratiques qui ne sont pas obligatoires, qu'on fait le liens avec la religion. Pourtant, même la religion ne les oblige pas, hmm. que c'est pour préserver notre santé. Parce que même la question de l'hygiène, je pense que euh, les marabouts peuvent me confirmer, c'est quelque chose qui est en lien direct avec la religion. C'est une recommandation. C'est une hmm. recommandation, ça fait partie intégrante de la religion. Hmm. Donc je pense que les acteurs qui s'occupent de cet aspect doivent tenir compte de toutes ces choses pour pouvoir euh, effectivement aller de l'avant. Parce que sauver des vies, surtout j'insiste sur la question des enfants, ça fait trop mal de voir des éléments qu'on peut adresser, des choses sur lesquelles on peut agir, mais toujours ça nous crée le fossé. Dambaji l'a dit en introduisant, il dit la question de la de main, la question d'hygiène, une question de développement. Et puis c'est eux qu'on voulait aller à atteindre les objectifs de développement durable, parce que c'est cela, en fait, en 2035, tout le monde va rendre sa copie. Qu'est-ce que vous avez pu faire Alors, avec comme je, comme je l'ai dit, je le répète, avec ce taux élevé de malnutrition que nous avons, avec ces liens, n'est-ce pas, ce cercle vicieux entre malnutrition, diarrhée et naturellement une baisse de l'immunité, je ne vois pas si on pouvait être au rendez-vous en 2030. Mhm. Merci à vous, docteur euh, Mamansani. Vous avez euh, expliqué les moments pendant lesquels euh, il faut laver les mains. C'est donc de façon constante qu'il faut laver les mains avant de manger. Quand on touche les enfants, il faut faire très attention pour ne pas transmettre des microbes dans le cadre de ce contact, par exemple, de la mère avec son enfant. On pratique également l'hygiène des mains au niveau des structures de santé, docteur, à l'hôpital par exemple, quand nous sommes visiteurs dans ces lieux de santé, quelles sont les attitudes à avoir euh, au niveau même euh, des centres de santé, mais également une fois de retour à la maison Alors, au niveau des centres de santé, là, je peux dire que c'est même, euh, même grave. Parce que ce que vous pouvez contracter au niveau des centres de santé, c'est ce que dans le jargon médical qu'on appelle l'infection nosocomiale. Mhm. Les infections nosocomiales, c'est des maladies qui sont graves parce que c'est de maladie, peut-être tu vas partir, quelqu'un a une autre maladie. C'est en réalité à cela nous assistons malheureusement. Quelqu'un part avec une maladie de grippe plus ou moins bénigne, mais parce que tout simplement, au niveau des centres de santé, les dispositions n'ont pas été prises pour pouvoir assurer une très bonne hygiène, n'est-ce pas, vous touchez à n'importe quoi. Imaginez dès que vous partez, le malade est sur son lit, alors on va vous dire bismillah Vous allez vous asseoir, vous allez toucher à n'importe quoi, les gens qui ne se sont pas lavés les mains. Et c'est ce que j'ai dit. Je parle des germes qui sont spécifiquement des germes des hôpitaux. C'est ça les germes nosocomiaux qui sont là. Tu vas, tu vas les prendre, tu vas venir le partager. Donc je pense que d'où l'importance que d'abord au niveau des structures sanitaires, mm. les responsables de ces structures sanitaires doivent prendre des mesures extrêmement importantes. En principe, à l'entrée d'une formation sanitaire ou dans n'importe quel centre de santé, sans un centre de santé, dans n'importe quelle structure qui se respecte, on doit avoir un dispositif de lavage de mains. Mm. Quand vous venez, vous vous lavez les mains vous rentrez. À la sortie, vous vous lavez les mains, vous sortez. À un moment, avec cette pandémie de coronavirus, ça a commencé. Parce qu'ailleurs, c'est bien avant cette pandémie de corona que ça a commencé. Mhm. Eh, mais maintenant, avec Corona, on a commencé, on a voulu faire semblant de faire de cela une exigence. Mais maintenant, vous partez, le dispositif est là. Et eh bien voilà, il n'y a même pas de l'eau deux fois. Des fois, les gens prennent des précautions de mettre de l'eau sans mettre du savon. Je pense que le lent est là. On a commencé je pense qu'on a l'habitude de dire un problème posé, il est à moitié résolu. Mmh. Je pense que les gens se doivent redoubler des efforts pour que au moins, au moins il des formations sanitaires pour être spécifiques, comme vous l'avez dit, et essayer de mettre ce dispositifs à chaque entrée, et même à chaque entrée de chaque pavillon dans des grands hôpitaux, de chaque pavillon à l'entrée, il faut mettre ces dispositifs et veiller. Mmh. Parce que tout notre problème, c'est un problème comportemental. Avant que les gens n'arrivent à changer ce comportement, et à des vigiles qui sont là, appeler les gens à se laver les mains, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de la communauté. Je pense que ça peut aider à changer les choses. On vous a donc bien compris, docteur Mamansani. Avant donc l'arrivée de Covid-19, on n'avait pas de dispositif mis en place pour laver les mains à l'eau et au savon, mais vous dites bien que c'est une euh, pratique qu'il faut laisser donc euh, pérenne. Une fois que les visiteurs quittent les hôpitaux, les structures de santé, ils doivent donc laver à l'eau et au savon leurs mains pour ne pas transporter des microbes une fois de retour chez eux. Merci à vous, docteur euh, Maman Mayaki, représentant de la direction en charge de l'hygiène publique euh, et de l'éducation euh, sur cette euh, question de l'hygiène au niveau du ministère de la Santé publique. Selon vous, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que justement la question de l'hygiène des mains soit respectée par tout le monde Alors, merci beaucoup. Et en tout cas, comme l'a dit docteur Momansani, en tout cas, à partir de maintenant, il faut mettre en pratique le lavage des mains et il faut que ça soit un truc, euh, des, trucs comportementaux ancrés en nous-mêmes. Donc, mhm. vraiment, à chaque instant, dès que vous touchez quelque chose, et, ou bien dès que vous faites euh, une manipulation quelconque, mhm. vraiment, il faut songer à laver vos mains. Surtout par rapport à donc, ce que vient de dire le docteur, mhm. c'est-à-dire euh, les maladies nosocomiales qu'on contracte là, au niveau de nos structures de santé, n'est-ce pas C'est lié le plus souvent à des comportements des accompagnants, pas même le malade, les, accompagnants, vous partez, vous touchez ceci, vous touchez cela, donc sans prendre soin de bien sûr euh, passer le geste, le simple geste de se laver les mains mhm. à l'eau et au savon. Vous voyez bien Ça veut dire à, l'intérieur même d'un hôpital, il ne faut pas attendre la sortie pour les euh, agents de la santé, tout le personnel de l'hôpital. C'est-à-dire c'est l'ensemble maintenant, pas euh. les accompagnants seulement, y compris le personnel médical. Mhm. Tu fais un acte, à la fin, automatiquement, sans sortir de l'unité, mhm. il faut songer à se laver les mains à l'eau et au savon mhm. avant de toucher quoi que ce soit. Les accompagnants, et on a des actions donc de sensibilisation qu'on appelle donc action d'éducation pour la santé de sensibilisation qu'au mhm. que au niveau de nos structures de, de, santé qu'on essaie de, réunir en tout cas les, accompagnants pour pouvoir vraiment attirer leur attention les sensibiliser un séjour n'est-ce pas au niveau d'une formation sanitaire n'est pas synonyme de contracter une maladie à la fin. Mmh. Donc il faut se préserver. Il y a des choses, il y a des choses qui sont interdites. Par exemple, vous voyez, il y a des accompagnants quand ils partent, n'est-ce pas Au lieu donc de, c'est-à-dire eh, eh, les, les, les, aliments qu'on leur amène là mmh. pour manger, ils mangent, mais il y a un résidu. Mmh. Au lieu de donner ça à quelqu'un qui est à côté, qui est nécessité, qu'est-ce qu'on on assiste à des pratiques qui sont pas bonnes, on essaie de faire un séchage de ces aliments mhm. pour avoir des aliments aliments séchés dans, dans, une formation sanitaire mhm. où vous retrouvez tout ce qu'il y a comme mouche qui pelule, la poussière, en tout cas tout, tout, tout. Mhm. Vous voyez Donc ça, à partir de ces centres de santé, c'est-à-dire l'aliment là que vous prenez, c'est tout un lot de microbes que vous avez pris maintenant de la formation sanitaire en direction de la maison. Je souhaite que le malade que vous avez accompagné est guéri, mais maintenant, tous ceux qui vont consommer cet aliment-là, donc c'est ce que vous avez, donc en tout cas, il y a séché au niveau de la formation sanitaire. Donc, quand ils vont consommer ça, eh bien, encore, ils vont se retrouver sur nos lits. Alors maintenant, en termes de choses, nous, au niveau de, la formation de, nos structures, en tout cas, les messages de sensibilisation en ce qui concerne les aspects d'hygiène. Mhm. Vraiment, on en fait parce qu'on a une division spécifique chargé de l'éducation pour la santé. Un malade, par exemple, s'il vient, qui est censé lui dire qu'avant de manger, il doit laver ses mains Voilà. Donc là, Parce qu'on voit que parfois, c'est les accompagnants qui s'occupent de tout, et alors qu'ils n'ont pas euh, eux-mêmes l'information. L'information. À l'arrivée hein, mm. d'un patient au niveau d'une formation sanitaire, mm-hmm. les aspects d'hygiène et assainissement au niveau de cette formation sanitaire, d'abord, ça incombe d'abord aux techniciens d'hygiène mm. sous le contrôle, si c'est un médecin mm-hmm. qui est là, et maintenant l'ensemble du personnel donc qui est chargé de faire les soins. Donc, chacun a, à, chaque qu'il y a des techniciens d'hygiène. Il y a des techniciens d'hygiène. Si, à l'hôpital national, par exemple. bien sûr, à l'hôpital national du Namé, on a une multitude de techniciens, un mhm. service donc chargé de la Et dans les CSI. Les CSI, en tout cas, bon, euh, à l'heure actuelle, on a une pénurie mhm. de personnel. En tout cas, les techniciens d'hygiène ne peuvent pas couvrir la totalité. De, en tout cas, même au niveau de certains districts, on a une pénurie. Vous mhm. voyez Alors, ces techniciens d'hygiène sont chargés de la mise en œuvre, nest de l'hygiène donc hospitalière ou bien au niveau de nos formations sanitaires. Ils mhm. doivent veiller à ça, mais avec bien sûr l'accompagnement des autres collaborateurs, les infirmiers et maintenant l'autre franche, les techniciens de surface qui mhm. sont donc, cest ceux qui les les, les filles, mhm. tout ça là. Donc, c'est ça qu'on catégorise comme techniciens de surface, mhm. qui sont là pour appuyer les efforts, donc vraiment, que ce soit du technicien d'hygiène, du personnel soignant, en tout cas pour rendre le cadre de vie au niveau de nos formations sanitaires mhm. saines. Alors, cela dit aussi, vraiment, comme vous dites, donc, de faire la pratique de l'hygiène, mais donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Vous voyez et en donnant l'exemple là, là, vraiment, donc vous avez un droit à dire à, l'autre d'être propre. Mais quand vous-même, vous ne l'êtes pas, c'est pas vraiment conforme. Quand vous, dites donner l'exemple, qui va donner l'exemple ici Par exemple, quand je prends au niveau de nos formations sanitaires publiques, mhm. vous voyez bien, il y a des comportements qui sont là, que le personnel de la santé, les gens qui viennent, chacun a des comportements vraiment qui détériorent. Les stagiaires. C'est tout le monde, hein, mhm. c'est tout le monde. Il y en a qui crachent par là, il y en a qui jettent, euh, euh, je sais pas, des déchets par-ci, par-là. Vous mm. voyez bien Or, quand vous partez au niveau des, formations sanitaires privées, la les cliniques privées, est-ce que mm. vous voyez ça c'est à cause de ça même certains les gens l'impression que les gens fuient, parce que les gens disent que les gens, oui, les gens disent que nos unités de soins là, ça sent. Or, le fait que ça sent là, ce n'est rien que le fait, c'est lié à nos, comportements. Mm-hmm. À nos comportements d'abord, parce que le technicien d'hygiène peut laver, mm. il peut nettoyer, mais toi, tu viens, tu craches. Là où là, Vous voyez bien Et maintenant, donc, ça devient vraiment quelque chose où vraiment on demande l'effort des choses. Mais sinon, en termes d'hygiène, là, les formations, en tout cas, on en fait à chaque moment. Et maintenant, par rapport à la disponibilité, n'est-ce pas, des dispositifs de lavage des mains. Maintenant, avec l'événement de la Covid, là, vous voyez bien, toutes nos formations sanitaires, en tout cas, ont été parce que notre structure est chargée, en tout cas, de recueillir les dons mhm. et de ventiler ces, dispositifs de lavage des mains au niveau des formations sanitaires. Donc, jusqu'au niveau, même les écoles, tout, tout, tout, là où il y a les rassemblements, vous voyez bien, y compris l'autre aspect des désinfections. Est-ce qu'il n'y a pas des visiteurs, par exemple, qui ne prennent pas en compte cet aspect, l'importance de nettoyer les mains gens sont quand ils, sortent sont, euh, On informe, on sensibilise les gens, mhm. mais la mise en œuvre là, ça devient difficile parce que les gens n'ont pas les mêmes compréhensions ou les mêmes comportements. Mhm. Le dispositif est là. Il y en a qui préfèrent contourner ça ou bien quand ils regardent par-ci, par-là, il n'y a pas quelqu'un qui les surveille, ils ne prennent même pas le soin de se laver les mains. Mhm. Alors que ça, là, le simple geste de lavage des mains, mhm. comme l'a dit le docteur, hein, ça nous éviterait 46% des maladies qui sont transmises par les mains ou bien par le manque vraiment donc d'hygiène au niveau des mains, vous mhm. voyez bien, sans oublier bien sûr les maladies que cela peut engendrer, vous voyez bien. Alors que le simple geste là nous évite ça. Mhm. Pourquoi ne pas mettre ça en œuvre que de venir maintenant se retrouver avec une ordonnance dont vous n'avez même pas la possibilité d'octroyer de vous octroyer un seul produit Mhm. Parce que quand on va vous faire l'ordonnance, là, c'est pas un seul, un à deux molécules qu'on va vous, euh, donc vous prescrire. Et ceci est dit à, à quoi Le simple geste là. cest dire que si on vous, comprend bien, ça rend encore pauvre le fait de ne pas prendre en compte la vraiment chose là. Vous voyez bien, vraiment, les gens sont. C'est à cause de ça, Dambaji et, le docteur Mamansani l'ont dit. C'est donc une question de développement. Une merci à vous, Ousmane Dambaji. selon vous, euh, pourquoi ce retard euh, dans la question de la pratique de l'hygiène des mains au niveau de la population, même en milieu urbain, comme euh, on a eu à le constater à travers ces différentes interventions. Et merci, monsieur Michel. Mais moi, je, pense que c'est un problème même de comportement, c'est un problème de vision. Mhm. C'est vraiment. Parce qu'aujourd'hui, nous, ça fait 10 ans. Dix ans depuis 2010, nous faisons des actions de sensibilisation au niveau du RGA pour mm. amener les gens à adopter un bon comportement ou à faire de lavage de mains, en tout cas une pratique quotidienne. Mm-hmm. Mais les gens nous disent que ils sont fous, mais comment vous allez organiser des activités pour nous dire de laver nos mains Mais qu'est-ce que vous en faites Mais aujourd'hui, l'histoire nous donne raison grâce à la Covid. Mm. Les gens ne veulent pas mourir, ils sont obligés de respecter certaines pratiques, mhm. naturellement, surtout en ce qui concerne lavage de mains ou désinfecter les mains. Et aujourd'hui, si docteur. Et l'importance, euh, il faut le préciser à ce niveau, même en dehors de Covid, il faut pratiquer cette hygiène de mains parce que nous avons, par exemple, dans les écoles, les enfants qui mangent pendant la récréation, ils jouent, ils vont dans les toilettes. Parfois, au niveau même des toilettes, il n'y a pas une bonne hygiène parce qu'il manque de l'eau. Tout ça. Euh, Quand vous allez passer la parole au docteur, certainement, il va nous confirmer mhm. qu'aujourd'hui, eh, avec ce qu'on a eu comme acquis en matière de lavage, de même. Évidemment, il va nous confirmer que beaucoup de maladies, même pas la Covid, ont drastiquement chuté. Mhm. Parce que, évidemment, euh, c'est le manque d'hygiène qui propage certains euh, virus et qui nous amène à contracter beaucoup de maladies. Mhm. Moi, je pense qu'il faut que, c'est-à-dire, il faut que ça soit un comportement quotidien. Mhm. Nous sommes culturellement sales, excusez-moi du terme, de Nigérien. Nous sommes culturellement sales. Allez-y visiter nos toilettes. Vous allez nous voir bien habillés, mais allez-y dans nos toilettes. Allez-y dans nos ministères, dans nos services est-ce que vous allez, vous allez voir comment est-ce que nos toilettes sont Nous sommes bien habillés, on porte un joli bazin, on sort, mais nos toilettes sont inhabitables, impraticables. Et je te demande de faire un tour dans certains ministères, dans mhm. certaines sociétés de la place, bien dans beaucoup de services. Vous allez vous rendre compte, les Nigériens, franchement, il faut qu'on change, nous sommes sales. Mais alors, mais quand on parle de la saleté, on voit que le médecin, il faut que le médecin fasse. Non, c'est pas son rôle. Les médecins, plutôt, si on est propre, on réduit la tâche à 90% aux médecins, mhm. que ce soit par rapport au diagnostic et bien de choses. Mais le médecin ne peut pas te donner conseil. Tu es venu pour te faire soigner. Alors, si tu as adopté les bons comportements en matière d'hygiène mhm. et de bonnes pratiques, mais tu réduis, tu aides le médecin à, trouver le diagnostic facilement, à te soigner. Mhm. Quand je prends le cas du départ sain, pourquoi on parle du départ sain Aujourd'hui, vous allez parler de la santé. Nous avons beaucoup des salles d'accouchement ou des salles de santé où les femmes accouchent à même le sol. Mm-hmm. Est-ce ça, c'est la responsabilité du médecin. Non. Et ça, c'est l'État. Non. C'est tout le monde. J'ai l'habitude de le dire, des formations sanitaires que je trouve en brousse, mais comment est-ce dans un village, si l'État n'arrive pas à amener un lit de 15 000 femmes d'accouchement, on ne peut pas avoir un commerçant, un privé ou un fils de terroir qui peut aider la case de santé. le médecin sont là, il ne peut pas les aider avec un lit de 15 000 francs pour que les femmes accouchent. Mm. Nous, j'ai vu dans certaines formations sanitaires, l'État a construit la maternité, a construit le CSI, on a fait le raccordement. Mais tout simplement, on n'est pas capable de raccorder l'eau dans les salles de soins. Tous les mm. dispositifs existent. Ça ne passe pas 10 000, 15 000. J'ai vu des cases de santé qui ont été construites pendant plus de 40 ans. dispositifs existent, mais tirer l'eau de la porte pour que ça soit euh, raccordé dans les salles c'est pas possible. Mais est-ce que c'est la faute de l'État ou c'est la faute également du médecin C'est notre responsabilité. Imagine quand votre femme accouche, mhm. le bébé contacte des maladies incurables entre l'accouchement et le baptême. Les gens sont dans les hôpitaux, sont parce que entre la naissance et le baptême, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Les enfants, les femmes qui viennent, on prend le bébé, ça dépend aussi dans quel mouchoir on va mettre le bébé. Donc c'est du coup cette pratique qu'il faut changer. On n'a pas demandé aux gens de ne pas donner le bébé, mais quand même, soyez sûr que votre mère bien lavé. Vous ne portez pas de microbes avant de toucher un bébé qui est trop fragile. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons changer. Mais est-ce que vous pensez, si par exemple une mère essaye d'expliquer ça à une visiteuse, est-ce que vous pensez qu'elle peut comprendre C'est pour ça que j'ai dit c'est un mouvement d'ensemble. Mhm. Si tout le monde comprend, c'est pas à une seule personne d'amener le changement. Nous devons tous apporter ce changement ensemble pour que nous tous nous comprenions que les, mains sales sont porteurs de maladies. Et c'est pourquoi je voulais, quand on fait la sensibilisation, comme le docteur l'a dit, l'information, il va falloir faire le lien. On ne te dit pas, Michel, lave tes mains parce que c'est pas bon. Non, non. On te fait le lien entre le manque d'hygiène de mains et l'économie et également ce que tu peux dépenser au niveau de formation sanitaire mhm. Avec un seul geste, si tu l'avais respecté, tu ne pourras pas aller chez le médecin, tu ne peux pas payer les ordonnances, les et tu ne pouvais pas avoir le temps perdu en matière de travail. Mhm. Et ça aussi, il faut faire le lien. Mais quand vous faites, c'est comme si je l'ai dit tout le temps, en matière par exemple de, de, lutte contre la pauvreté, vous allez mettre la à tout ce que. Mais les gens sont en train de voler, sont en train de détourner. Je dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut expliquer aux gens. Il faut expliquer aux gens. Le, il faut amener les gens à toucher les sensibilités. Quand on dit aujourd'hui, vous avez détourné 50 000 francs, on ne va pas crier vous avez détourné. Non, amener la personne qui est détournée à comprendre. Le 50 000 que vous avez détourné pouvait sauver la vie des 70 femmes qui sont dans telle localité, mm. pouvait permettre à des gens d'avoir de l'eau potable qu'elles n'ont pas. Donc vous touchez la sensibilité de la personne, mm. c'est en ce sens que la personne peut écouter votre message et elle peut accepter le changement. Mm. Mais ça dépend de la manière dont nous voulons faire le changement. Donc c'est pour cela que je dis, il y a beaucoup d'actions communes à mettre en place pour amener les gens à ancrer ou à comprendre que comme le docteur l'a bien précisé, le docteur Massani l'a bien précisé, franchement, je suis très content de son analyse. Avant de toucher un mhm. objet manipulé, il faut laver les mains, surtout les toilettes. Mhm. Nous sommes traditionnellement, on rentre dans les, on n'a pas de, comment on appelle, dans 90% de toilettes, il n'y a pas de, papier hygiénique. Mhm. Ici, nous tous, on rentre seulement avec une bouillarde euh, et on, on du coup, euh, évidemment, excusez-moi du terme, c'est vilain. Le papier hygiénique, vous pensez que ça préserve plus la santé que de l'eau Non, par exemple, les gens qui utilisent le papier hygiénique avant de mettre de l'eau. C'est-à-dire, on casse déjà la chaîne des maladies. Mm-hmm. Vous avez utilisé le papier hygiénique, vous avez utilisé de l'eau, ça tue. Que de mettre votre main directement ah, dans, excusez-moi du terme, mm-hmm. euh, laver, laver mm-hmm. les selles avec le main. Parfois, il y a les ongles qui ne sont pas Et vous sortez, c'est vraiment un comportement il va falloir que nous fassions un mouvement d'ensemble pour que nous faisions le lien entre les, maladies, le manque d'hygiène de main, contre la pauvreté, en fait le lien, tout ça avec le développement, pour que nous puissions toucher la sensibilité de nos, de, nos concitoyens pour qu'ils comprennent effectivement la nécessité d'être propre. Aujourd'hui, je te dis, je te le répète, docteur peut le confirmer, faites un tour dans le ministère que tu n'as pas imaginé. Tu vas voir un immeuble correct Mhm. très propre de, de, de, dehors. les, toilettes sont praticables. Nous allons parler donc euh, à présent des habitudes à avoir comme réflexe pour être à l'abri des maladies liées à une mauvaise hygiène de nos mains. rappelons que quelques secondes pour sauver des vies, nettoyez vos mains est le slogan proposé par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour la célébration de l'édition 2021 de cette journée mondiale de l'hygiène des mains. Notons que cette journée mondiale de l'hygiène des mains est différente de la journée mondiale du lavage des mains qui est célébré le 15 octobre de chaque année. Nous avons donc euh, deux journées choisies par la communauté internationale euh, pour penser à ces pratiques qui nous permettent d'avoir euh, une bonne santé en nous occupant de nos mains. Nous allons poser la question à Dr euh, Mamansani qui est médecin. Dr euh, Ousmane Dambaji a fait justement le constat qu'à partir euh, de cette pratique de lavage des mains et des dispositifs mis en place, ça pourrait conduire à une réduction du nombre de cas au niveau d'autres maladies. Est-ce qu'on peut penser logiquement à cela C'est même pas penser, c'est des évidences. Mhm. C'est des évidences parce qu'il y a des études qui les ont prouvées. Par exemple, au Niger, au Niger, il a été démontré, et ça c'est à travers des études, que le lavage de mains réduit de 46% la morbidité. C'est-à-dire, mhm. les maladies seront réduites de 46% si tel autre les gens se lavent régulièrement et de manière consolable les mains. Mhm. Alors, eux savons, parce que c'est très important. soit Dambaji a souligné quelque chose d'extrêmement important se laver les mains et il y a se laver les mains, il y a se laver les mains. Il faut bien dire, dire laver les mains avec de l'eau et du savon. Il ne sert rien de faire semblant, juste prendre une bouillarde, un peu verser et puis bon voilà. Il faut se laver les mains pour faire disparaître les germes qui sont là. c'est là, parce que tout à l'heure, il y a des gens qui le disent, eh, quand vous allez manger, lavez-vous vraiment, moi je viens de faire mes ablutions. Voyez-vous Ça, c'est des mhm. choses comme ça. Tout à l'heure, euh, a donné des exemples. Ça, j'ai senti un communicateur qui a parlé. C'est extrêmement important. Mhm. Par exemple, nous avons l'habitude quand on part aux toilettes, nos pratiques ne sont pas agréables à même entendre à plus forte raison à pratiquer. Mhm. Je pense que c'est ce travail qu'il faut aller. je pense que c'est des évidences. Quand on dit la réduction de la morbidité, ça c'est des évidences. Beaucoup des articles l'ont écrit. On doit dépasser maintenant à chercher des preuves. Non, maintenant, on doit aller à l'étape de la mise en œuvre pour pouvoir. Parce que le, terme choisi par l'OMS, c'est un terme extrêmement sensible, extrêmement touchant pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Mhm. juste quelques, secondes, pour sauver des vies. Voilà, nettoyer les mains. Quelques secondes pour sauver des vies. Imaginez ce que ça fait. Vous, juste maintenant, OK, vous êtes euh, quelque part, vous avez senti un besoin d'aller vous soulager, vous vous êtes soulagé, et puis donc, voilà, vous n'avez pas nettoyé, vous avez vos mains, vous sortez, et tout ce qu'il y a, parce que imaginez, le matière fécale, de que vous êtes contaminé, vous contaminez quelqu'un, c'est tout ce qu'il y a dans la chaîne de, intestinales, de maladies qui touchent au tube Et imaginez le panoplie de maladies qui touchent le tube digestif avec leur lot de diarrhée, ce que vous voulez, les parasites, la dysenterie, le choléra, la fièvre qui tout ça là. C'est de l'eau de maladie que nous tremblons. Et tout ça, comme vous dites à la, même le paludisme, vous dites à la personne, ça là, c'est une maladie liée à l'hygiène. La personne ne va pas vous comprendre. Mmh. Il vient, comme l'a dit Damboji, bien sapé, avec son patin haute, classe. Il vient vous, avec ça, vous le fièvre typhoïde, vous lui dites que c'est une maladie de main sale. Il va mmh. vous, comprendre. Et pourtant, c'est le cas. Mmh. moi, je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut faire essayons véritablement de faire un travail de nous inculquer. Il mhm. n'est pas obligé, il y a certaines pratiques à caricaturer avec nos enfants. L'enfant, quand il est né, il est trop fragile, son immunité n'est pas encore en place. Tout germe peut le nuire. Mhm. Évitons de faire cela. Au-delà, même pas les enfants, les petits, petits nouveau-nés, même les enfants, j'ai pris tout à l'heure, j'avais donné l'exemple jusqu'à la tranche d'âge de 0,50 ans. Nous avons un taux de mortalité extrêmement élevé chez les enfants de moins de 5 ans. Et quand vous regardez pratiquement cette mortalité à 50%, elle est liée à la malnutrition. Et pourtant, tout le monde connaît c'est quoi. Parce que les gens, quand on voit malnutrition, les gens pensent que ah, c'est parce que les gens n'ont pas à manger. C'est pas ça. Mhm. Les gens peuvent avoir à manger, mais être malnutris. Parce que tout simplement, la malnutrition, quand vous voyez, vous rentrez dans le corps sous-jacent de la malnutrition, en dehors de la question de la sécurité nutritionnelle, il y a la question de l'hygiène, mais il y a aussi la question d'une bonne utilisation des services de santé. Et quand vous parlez de la question d'une bonne utilisation des services de santé, c'est un des aspects que nous avons suffisamment débattu tout à l'heure, il y a l'aspect d'hygiène. Et l'autre gros paquet, c'est la question d'hygiène et d'assainissement qui joue un rôle important dans le cadre de maintien d'une bonne, d'un bon état nutritionnel chez pas les enfants seulement, mais chez tout le monde. Mmh. Donc je pense que c'est extrêmement important que nous comprenions l'intérêt de ces sujets, que nous prenions l'importance de cette thématique ou de, d'adopter de très bons comportements pour que nous puissions euh, euh, avoir une bonne hygiène et par ricochet être en bonne santé. Docteur, vous avez parlé euh, dans votre mot au début qu'il y a donc des maladies que nous avons par euh, non-respect de cette pratique euh, de l'hygiène des mains. Vous avez parlé de la diarrhée, mais en dehors de la diarrhée, quelles sont les autres maladies que nous avons Je, parle de, maladies parce que quand on parle de diarrhée, parce que diarrhée, c'est peut-être un terme générique. Mmh. diarrhée, il faut savoir c'est quel type de diarrhée. C'est peut-être une diarrhée parasitaire, c'est-à-dire le parasitose intestinal. Ça peut être la fièvre typhoïde, ça peut être euh, la dysenterie, ça peut être le choléra. Imaginez, juste vous prenez, je ne sais pas si vous avez un jour vu une situation d'une épidémie de choléra. Mm. Peut-être maman peut vous dire à quoi ça peut supporter. Et ça, quand on dit c'est une question d'hygiène de lavage de mains. Donc tout ça, c'est des maladies qui sont là qu'on peut véritablement éviter, éviter en adaptant juste ce petit instant de se laver, avoir ce réflexe de se laver les mains mm-hmm. au moment ils ont été dites. Donc je pense que c'est là qu'il faut on peut éviter beaucoup de choses. Les gens se disent euh, intoxication alimentaire. Tout ça, c'est la main. C'est la main. Mhm. Ça, Pasteur l'a dit depuis belle lurette. Il dit nous vivons 90% mhm. de nos maladies. Il dit mhm. bien 90%. 90% de maladies sont liées à une question d'hygiène. Donc, je pense que l'aspect d'hygiène, c'est un aspect extrêmement important. C'est-à-dire, on doit tourner cet aspect euh, vers une communication euh, qui doit en fait, Dambaji a expliqué comment il faut faire cette communication pour que les gens se comprennent. Il faut amener les gens à adopter une très bonne hygiène euh, pour pouvoir aller à la réduction de la morbidité. Merci à vous, docteur. On vous a bien compris. Donc, euh, nous venons à vous. Monsieur Maman Mayaki, vous êtes le représentant, je le rappelle, de la direction en charge de l'hygiène euh, publique du ministère de la Santé publique. Quelle est la stratégie de la direction de l'hygiène publique du ministère en charge de la Santé pour une bonne pratique de l'hygiène des mains au Niger Alors oui, merci beaucoup. Donc, en termes de stratégie, vous avez donc, donc d'abord nous notre élément fondamental qui est le code d'hygiène mhm. public qui prend en compte en tout cas tout ce qui est aspect en matière d'hygiène. Que dit ce code euh, d'hygiène Donc le code d'hygiène dit que euh, donc euh, mettre en œuvre tout ce qui est hygiène hygiène donc sous ses différentes formes. Mhm. Hygiène de l'eau, Qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, à la population, à chaque donc, la population, donc, voilà, donc la population a le plein droit, n'est-ce pas, d'observer et de mettre en œuvre tout ce qui est pratique d'hygiène mhm. en vue d'améliorer son cadre de vie. Mhm. Alors maintenant, en faisant cette pratique-là, tout celui qui freine à cette pratique-là, il est exposé, maintenant toujours dans le code, donc à des sanctions ou bien à des pénalités. On voit ces pénalités notamment pour les euh, ben, vendeuses pour de oui, pour les vendeurs, pour les vendeuses là, d'accord. Oui, mhm. maintenant, c'est-à-dire ça, c'est un peu catégorisé. Là où il y a vraiment le gros casse-tête là, on trouve que vraiment il y a une manipulation anarchique de ces denrées par les vendeuses, les enfants, qui viennent vraiment être en contact permanent avec ces, donc ces aliments-là, avec des mains sales. Or, on a dit ici, c'est de faire le geste. Donc, les mains-là, il faut vraiment les débarrasser des, saletés à travers vraiment le lavage-là. Vous voyez Donc, nous devrons garder en permanence nos mains propres pour vraiment préserver tout ce dont on doit consommer. Soumane Dambadji, nous sommes euh, pratiquement à la fin de ce forum. Euh, comment faire pour que toutes les populations nigériennes soient à l'abri des euh, maladies liées à la non-pratique de l'hygiène des mains Merci. Nous devons nous tous nous sensibiliser. Chacun dans sa responsabilité, que ce soit au niveau de nos familles, que ce soit au niveau de nos fadas, au niveau de leur travail, que chacun devienne un ambassadeur pour la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement pour que nous gain un environnement sain aux générations futures. Merci à vous, Ousmane Dambaji. Fidèles auditeurs, nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème importance du lavage des mains dans le cadre de la préservation de la santé. Nous avons donc euh, organisé ce forum à l'occasion de la célébration de l'édition 2021 de la Journée mondiale de l'hygiène des mains qui est célébrée ce jour 5 mai. Nous comprenons que le lavage des mains et de façon générale l'hygiène des mains contribue donc euh, de façon très efficace à la préservation de la santé. Docteur euh, Maman Sani a expliqué que l'hygiène de façon générale peut contribuer à réduire 46% de la morbidité selon une étude qui a été faite sur la question. Nous avons également compris que c'est une question de développement. Pratiquer l'hygiène des mains peut donc contribuer à faire des économies car vous allez vous sentir mieux à l'aise et donc euh, vous préserver de beaucoup de dépenses en lien avec la santé. Nous étions en compagnie de monsieur Maman Mayaki, il est technicien d'hygiène et d'assainissement et cadre à la direction de l'hygiène publique du ministère de la Santé public publique, euh, de la population et des affaires sociales. Il a donc euh, représenté à ce forum la direction en charge de l'hygiène euh, publique du ministère de la Santé. Notre deuxième invité, c'était Ousmane Dambaji. Il est le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia. Nous étions également au téléphone avec le docteur Mamansani. Il est médecin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également, chers auditeurs des 46 radios partenaires de Studio Kalango grâce auxquels vous nous avez suivis. À la modération de ce forum, c'était Michel Deji, à la technique Issa Laoli. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.